à tous, bonjour amis internautes de Canal Banlieue TV et Canal Banlieue Sport. Bonjour et bienvenue dans notre émission Esport Matin. Oui, Esport Matin avec Taï Benouzouer, un joueur euh, très connu au Sénégal de même qu'en international il s'agit de Gorgui Dissidian. Gorgui est un joueur moom la parcours C'est su première partie il s'agit du parcours comme ni mu leen ko waxee rek parcours bi tey góor gi fi la ñuy waxtaanee jaar-jaaram nu mu def euh, ba yegg si ko mu yegg si tey jii si loolu rek kii di Alioune Dieng moo ñu ko defal ñu teewlu ko. né le 18 janvier 1990 à Kébémer au Sénégal, est un joueur sénégalais de basketball. Il évolue au poste de pivot en 2013. Adien se présente à la draft de la NBA et est choisi en 21e position par le Jazz de l'Utah. Il est transféré dans la foulée au Timberlord du Minnesota en compagnie de Shabazz Mohamed, 14e choix de la draft, et contre Trey Burke, 9e choix de la draft. Au début de sa carrière hockey, il n'obtient que peu de temps de jeu. Cependant, suite aux blessures de ses coachs, équipier Yoni et Nikalo Pekovic. Il connaît sa première titularisation le 6 mars 2014 contre les Kings de Sacramento et termine le match avec un double-double, 12 points et 11 rebonds. Au cours des matchs suivants, Jim confirme sa bonne forme du moment et réalise même à 22 points et 22 rebonds le 20 mars face aux Rockets de Houston. Il devient le premier rookie des Timberwolves à réaliser en 20 Il devient aussi le sixième joueur depuis le début de la NBA en 1970 à terminer avec au moins 20 points et 20 rebonds dans l'un de ses trois premiers matchs en tant que titulaire. Il aligne alors du match suivant des statistiques proches du double-double, bien nommé rookie du mois de mars dans la conférence Ouest le 11 avril 2014. De nouveau contre les Rockets, il marque le panier vainqueur du match alors qu'il reste 4,6 secondes à jouer et termine la rencontre avec 12 points et 20 rebonds. Grâce à une meilleure deuxième partie de saison, il est nommé dans le deuxième meilleur 5 des rookies de la saison. Le 12 janvier 2015, Jane égalise son record de points en carrière avec 20 unités lors de la défaite des siens 101 à 110 contre les Nuggets de Denver. Le 28 janvier, il est nommé dans l'équipe Team World qui participe au Rising Star Challenge 2015. Le 1er août 2015, il participe au NBA Africa Game 2015 avec la Team Africa. Parlons de l'Afrique. Lors de l'Afrobasket 2015, à Tunisie en août 2015, Gorgissi est élu dans les 5 majeurs de la compétition en compagnie des Nigériens Chamba berlin, MVP du tournoi, et Al Aminou, du Tunisien Makram Ben Romdan et de l'Angolais Carlos Morales. bien termine meilleur marqueur et meilleur rebondeur du tournoi avec 22,9 points par match et 14,9 rebonds par match. bien c'est si parcours bu am solo boobu nga ñu defal si góor gi si non, noonu rek la attaqué directement suñu deuxième partie il s'agit de la revue des titres. Oui, la deuxième partie s'agit de la revue des titres. Oui, la revue des titres, nous démarrons directement avec le journal Estade, comme vous pouvez le voir, qui lui barre à une cette photo du gardien de vie sénégalais, il s'agit de Edouard Mendy. Et selon son agent Dili agent du gardien sénégalais, Mendy devrait signer aujourd'hui à Chelsea en bas de la page. Affaire IAF, 4 ans de prison, dont 2 ans fermes pour Lamine Ses avocats vont faire appel de cette décision injuste et unanime. Et pour Massa Tadiak, oui, le fils de Lamine et pour lui, jamais me mettre à la disposition de la justice française en haut de la page Impact de la pandémie pour le foot mondial. 77 milliards de francs CFA en perte selon la FIFA. Soccer sans 111e classique Marseille-Saint-Etienne pour la fête. Après le journal Estade, place à un autre journal qui est le journal Record qui lui barre à une cette photo de Nabissar, l'international sénégalais, le défenseur de Huddersfield. Et pour lui, il est hâte de retrouver la dernière Paris Saint-Germain olympique de Marseille. Les sanctions pleuvent sur les euh, Parisiens. Six matchs pour Courzava, deux pour Neymar et Paradès. Dossier en instructure pour le Marseillais Alvaro pour Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football. Pour lui, le racisme existe dans vos, dans vos stades et vous le savez. Oui, il reste Noël le grec. Terminons avec le journal Sunulam qui lui barrasse à une ce combat qui devait euh, en toute sorte faire part de ces deux lutteurs. Il s'agit de Tafatine et Boignan 2. Pour euh, lui répond aux attaques. Tafatine, Boignan 2 aura lieu pour, pour Burhan Wad. Voyant deux se prépare et pour Mbaïnig, la situation va se décanter. Au Prochain président du Shenzhen, les amateurs votent Tyson pour Moussa Nying. Il doit être un militant de la lutte. C'est sous cette note, chers note que nous refermons cette euh, deuxième partie Place maintenant à la dernière partie. Il s'agit de l'actualité. Euh, l'actualité, nous démarrons avec euh, l'athlétisme, avec ce procès de l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, la médiaque qui a, qui a été condamné hier à Paris à 4 ans de prison, dont 2 ans avec sursis pour son implication dans un réseau de corruption destiné à dissimuler des cas de dopage en Russie. Basketball, on connaît désormais la date de la nouvelle saison pour le championnat sénégalais de basketball. Des décisions majeures ont été prises euh, mercredi par le bureau fédéral qui se réunissait au siège de la Fédération sénégalaise de basketball en vue de la reprise de la prochaine saison de basketball, informe Basket Sénégal. Ainsi, le démarrage du championnat de première division nationale 1 est fixé au 2 janvier 2021 en ce qui concerne la deuxième division nationale 2. Ce sera un mois plus tard, soit le 6 février 2021. En NBA aussi, le match de la finale de conférence Est aujourd'hui à 23h entre le Miami vainqueur du premier match et le Celtic Football. Le classement FIFA, le Sénégal premier en Afrique et 20e au niveau mondial. La FIFA a publié ce jeudi le nouveau classement mondial, le nouveau classement mondial oui, avec euh, peu de changements du fait de la situation euh, Covid-19 qui a mis à l'arrêt tous les matchs internationaux pendant six mois. Ainsi, en Afrique, le Sénégal reste en tête suivi de la Tunisie qui gagne une place dans la IRC mondiale et le Nigeria qui gagne deux places. Le Sénégal occupe la 20e place au niveau mondial. Football qualification de la Ligue des Champions 2020-2021. Quelques résultats, comme vous pouvez le constater. Nous allons vous donner quelques résultats. Yann Boy, lui, est perdu devant FC Milan 3, 0 et FC Dynamo Zagreb, lui aussi, qui perd devant Ferres varos 2 buts à 1 en Europa League aussi. On jouit les qualifications et c'est progrès, lui, qui perd, qui devant William 2 5 buts à 0 en France aussi. On jouait, il a, on euh, un match en retard de la première journée. Le Paris Saint-Germain a dû s'imposer 1 but à 0 face à FC Match en Angleterre. Euh, Carabao Cup, West lui qui gagne devant Arrogate 3-0. Ipswich Town qui perd devant Fulham 1 but à 0. Les autres résultats. Vous pouvez le voir, nous allons passer au programme du jour. Qualification Europa League, il y a beaucoup de masse mais nous allons vous donner quelques rencontres. À 16h, Galatasaray FC Netflix et aussi euh, d'autres rencontres à 16h30, comme vous pouvez le constater, Front Tallinn qui fera à Reykjavik et aussi à 17h, Locomotive Tibis qui fera à Dynamo Moscou. Aussi en France, on va jouer un match en retard de la première journée. Marseille, tombeur de Paris Saint-Germain, va défier Saint-Etienne à 19h. En Angleterre, Coraba Cup, Burnley fera face à Sheffield United à 16h30. À 18h, Wolverhampton contre euh, Stoke City. À 18h45, Brighton contre Portsmouth. Euh, C'est sur cette note, internautes, que nous refermons cette émission des sports matin pour euh, aujourd'hui. Rendez-vous est donné demain, Inch'Allah. Donc, euh, restez scotchés sur Canal Bandit TV, Canal Bandit Sport. D'ici là, portez-vous bien.